Effectivement, la semaine passée, on s'était confronté à un problème du personnel qui est chargé de faire le pompage au niveau donc des champs de captage. Agadez a mis à notre disposition un seul agent au lieu de mettre trois ou quatre qui doivent se relayer au niveau des champs de captage. Une seule personne, de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, elle finit le pompage. Pour des raisons de sécurité, il rentre dans la ville parce que c'est à 25 km. Donc, ce qui fait que la nuit, l'eau n'est pas pompée et l'eau qui est dans les châteaux ne peut pas suffire à alimenter la population. Donc, cette question, je l'ai déjà prise en main et depuis hier, la garde, elle assez la sécurité et déjà, des agents ont été mis à notre disposition. Je pense que le problème est réglé une fois pour toutes.